Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au forum hebdomadaire de la presse, le forum de la presse du studio Kalangu. Le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève cette semaine. Les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du retrait des forces de Barkhane et de Takuba du Mali et du redéploiement de ces forces au Sahel. L'actualité, c'est aussi l'attaque contre les passagers d'un véhicule de transport dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 sur l'axe tizugourou Bangou, région de Tilaberi, par des hommes armés non identifiés. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le point de presse de l'avocat de maman Ousmane, candidat à l'élection présidentielle de 2021, dont il conteste toujours les résultats. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Issa journaliste indépendant. Issa bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse par la situation au Mali et au Sahel. Mais avant, nous allons dire un mot sur Halli Bokoy, journaliste à la retraite depuis 2020 de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, décédé dimanche 20 février à l'hôpital général de référence de Niamey des suites d'une maladie. Issa Madougou, tout d'abord, euh, nous présentons nos condoléances les plus attestées à sa famille, sa famille professionnelle, euh, ses amis et connaissances et à toute la presse nigérienne. Ali Rubokoye est quelqu'un qui a su démontrer l'importance, fait partie de ces gens avec le feu Dama Adamo qui a pu démontrer l'importance euh, des langues dans la communication et dans euh, la diffusion de l'information. Aujourd'hui, ils ont su, euh, peu à leurs âmes, montrer la voie. Insuffler une nouvelle dynamique. C'est aujourd'hui à nous, la nouvelle génération, de saisir cette opportunité de jouer ce rôle afin que et ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, qui ne puissent pas comprendre le français, puissent être aussi servis d'informations saines, fiables et crédibles à travers nos langues nationales. Hassan Boukara, ce vide peut-il être comblé Difficile, hein. je commence aussi par présenter mes condoléances à sa famille, ses amis, à toute la famille de la presse. Je pense qu'il va laisser un grand vide. Euh, euh, l'espace qu'il a occupé pendant sa longue carrière à l'ORT hein, va rester, va rester vide. Euh, il va beaucoup manquer aux amateurs de la lutte traditionnelle, euh, aux amateurs de la culture. Qui le sport roi au Niger. Qui l'ont beaucoup suivi sur les antennes de la télévision nationale, de la radio nationale. Que son âme repose en paix. Ousmane Sidikou. Mokhtar, je joindrai ma voix à celle de mes notre confrère euh, pour souhaiter euh, vraiment mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à, à l'ORTN et à l'ensemble de la presse euh, nigérienne. Moi, je dirais que c'est un vide abyssal que Halir Bokoy laisse dans le domaine des médias parce que tout le monde a souvenance de ses commentaires, notamment de la lutte traditionnelle, de l'animation d'une de ses émissions phares, Taurara Makada mais aussi euh, ses présentations, journaux, et radio et télé. Donc, euh, c'est dire que c'est un vide abyssal. On ne peut que prier pour le repos de son âme ainsi que euh, celle de tous ceux qui nous ont précédés. Donc, c'est un vide abyssal qu'il reste, qu'il laisse, mais prions que leur talent puisse euh, servir de boussole à nous autres ainsi que à la jeune génération des, journalistes à leur emboîter le pas. La preuve même est à la retraite, à la dernière édition de la lutte traditionnelle, il aurait fallu qu'on l'amène pour euh, commenter. C'est dire combien les listes disparu faisait avec passion le métier et métier qu'il a servi. Euh, donc, on euh, atteste la flopée, la marée humaine ayant assisté à son inhumation, ainsi que les témoignages qui ont fusé euh, de partout. Une fois de plus, nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique, l'Ouarten et la presse nigérienne en général. Revenons à présent à notre premier sujet de ce forum euh, de la presse. Après un dîner de travail à l'Élysée mercredi 16 février, auquel ont pris part une trentaine de dirigeants africains, européens et le Canada, la France et ses partenaires ont annoncé jeudi 17 février le retrait de leurs forces militaires du Mali après neuf ans d'intervention contre les djihadistes. Néanmoins, entre 2500 et 3000 soldats français resteront déployés dans le Sahel, rapporte le site de RFI. Euh, selon euh, la même source, les pays signataires ont convenu euh, de poursuivre leurs actions contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, des pays devenus des priorités de la stratégie d'expansion des groupes terroristes, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Hassan Boukara. Que peut-on euh, concrètement retenir au sujet de cette annonce euh, du président français faisant cas du retrait du Barkhane et de Takuba du Mali pour les redéployer euh, dans certains pays du Sahel tels que le Niger Merci. Bon, je pense que les Maliens ont clairement affirmé que les rapports avec la France ne vont pas bien avec eux. Ils considèrent qu'ils n'ont pas de résultats, avec des critiques très fortes en tout cas entre Français et Maliens, au point où les Français ont considéré, après l'expulsion de leur ambassadeur, euh, donc euh, à la demande de Bamako, donc du coup, ils ont considéré qu'ils ne peuvent plus continuer à, rester sur le territoire malien. Oui, oui Boukar, est-ce que ces critiques euh, vous paraissent fondées, les critiques des Maliens Ce que j'ai pu entendre des Maliens, c'est de dire on a pensé qu'ils pouvaient nous aider. Pendant 9 ans ils sont arrivés et les Maliens disent quand ils sont arrivés, tout ce qu'on appelle attaque terroriste, ces groupes terroristes étaient confinés dans notamment dans la partie nord du Mali. Neuf ans après, ils n'ont pas su aider véritablement l'armée malienne puisqu'il fallait faire monter, n'est-ce pas, en puissance l'armée malienne, selon l'expression consacrée. Ce résultat n'a pas été obtenu. Ils n'ont pas pu mettre fin aux attaques terroristes. Et du coup, les Maliens considèrent qu'ils ne peuvent plus continuer à croiser les bras. Pendant neuf ans, ils ont patienté, mais ils voient qu'ils n'ont pas de résultats et qu'il fallait chercher d'autres partenaires. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher la Russie, la Chine et d'autres partenaires. Donc, eux, ils essaient de faire ce qui les arrange. Maintenant, en demandant, en, faisant ce que les Français, euh, après l'expulsion de leur ambassadeur, ont pensé qu'il fallait quitter. Alors, il y a tout ce débat sur s'ils partent, ils laissent euh, les Russes s'installer. Euh, on voit bien à quoi ça renvoie dans le contexte actuel, cette adversité entre Occidentaux et Russes. on connaît ce qui s'est passé en Centrafrique et donc on vient vraiment vers ce schéma où les Russes, remplacent euh, les Français à Bangui et autour de la présidence en Centrafrique. Donc voilà, maintenant pour les Français, il faut trouver notre point de chute. Donc alors, ça ressemble un peu à, aider les Français, en fait. Ils ont perdu un terrain sur lequel ils sont. Il faut donc leur donner quelque part où ils vont débarquer euh, en attendant. Bon, évidemment, le problème, c'est que les raisons pour lesquelles ils sont partis du Mali sont aussi valables dans beaucoup de pays au Sahel les critiques qui ont été faites contre l'armée française, on les a entendues ici. C'est qu'ils qualifient de sentiment anti-français Alors, Évidemment, ce sentiment, euh, il y a certes euh, tout le poids du passé qui n'a pas été soldé, lié au franc CFA, à la colonisation, à la France-Afrique, on peut le dire. Mais autour de cette lutte contre le terrorisme, c'est que les gens disent qu'ils ne voient pas les résultats. Euh, regardez un peu ce que disait le président du Niger la, semaine passée sur France 24. Il dit que voilà, les résultats sont mitigés. Rappelez-vous qu'on est passé d'un moment dans ce pays où l'ancien président disait ceux qui critiquent l'armée française font pire que les terroristes, à une situation où le président élu, le premier des Nigériens, dit mais les résultats sont mitigés. De la bouche d'un diplomate, ça ressemble vraiment à dire que cette armée a échoué. Donc je pense que euh, en une décennie, l'armée française a prouvé euh, en tout cas en Afrique sahélienne, qu'elle a du mal à avoir les résultats. De la même façon que pendant des années, les Américains sont restés en Irak sans véritablement avoir des résultats, en Afghanistan, les Français aujourd'hui, dix ans après, on a du mal à avoir les résultats. Et du coup, là où il arrive, finalement, on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils vont apporter donc, je pense que le débat est un peu, un peu sur ce point-là aujourd'hui. Isamadougou, le directeur de l'information et des relations publiques des armées du Mali, colonel Souleymane Dambé, déclare à propos du retrait des forces euh, Barkhane et Takuba euh, que la présence française n'a rien apporté à la lutte contre le terrorisme, euh, comme l'a dit, comme l'a expliqué tout à l'heure Hassan Boukar. quelle est votre opinion à ce sujet Merci Mokhtar. Moi je pense que les Maliens, à travers leur gouvernement, ils sont dans leur droit de dénoncer ce qui ne va pas dans une coopération. Les critiques sont justifiées. Euh, ben oui, parce que quand on, prend de 2013 à aujourd'hui, en avant, oh, quel a été le résultat Le terrorisme qui était localisé au nord a trouvé maintenant un ancrage au niveau du centre du Mali où il fallait quelques jours, euh, il y a quelques semaines de cela, que les forces maliennes, euh, les FAMA ont commencé à mener des opérations pour pouvoir libérer quelques communes. Alors, les gens ne voient pas, il y a cette difficulté qui est là, les gens ne voient pas de résultats tangibles. Et alors, qu'est-ce qui explique la continuité de ce partenariat donc, ils sont dans leurs droits. Il faut voir, moi je vois aujourd'hui cette problématique au-delà de ce que les gens pensent. Parce qu'il faudrait que la France soit sûre qu'il y a eu un échec quand le président français vient faire. Euh, soit sûr ou bien qu'elle accepte. Qu'elle accepte cela, qu'il y a eu un échec. Aujourd'hui, toute la difficulté pose qu'on n'a pas de résultat pour qualifier ces 13 ans d'expérience. C'est très, très, euh, de, de, présence au, au Sahel. En quoi ça a été, on peut quantifier ça par rapport à sa plus-value pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le terrorisme a plus, même aujourd'hui, muté pour aller vers d'autres horizons où on ne connaît pas. Aujourd'hui, à travers cette décision, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut que les pays du Golfe aussi fassent très attention. Parce le, que le Togo et le Bénin Plus la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mhm. Quand on dit on va redéployer la force Barkhane et Takuba vers euh, d'autres destinations et plus précisément dans le littoral de la euh, littoral du golfe de Guinée, c'est qu'il faudrait que on fasse très attention, que nos États fassent très attention dans aujourd'hui la définition de l'installation de ces bases. Tirer les enseignements de ces névants-là qui n'ont apporté aucun résultat en matière de sécurisation. Il faut que nos pays aujourd'hui modèlent ce partenariat au contexte parce qu'il ne suffit pas de dire seulement qu'il faudrait aller vers la guerre seulement. Il faudrait qu'il y ait aussi cet appui pour amorcer un développement, qu'il y ait des stratégies nouvelles adaptées au contexte local. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait que les groupes qui opèrent, il y a cette différenciation que l'on ne comprend même pas dans les attaques euh, contre ces groupes par rapport aux actions de la force Barkhane. Il y a le JS. La France a plusieurs fois intensifié ses actions contre le groupe EJS euh, État islamiste au Grand Sahara que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et Amadou Koufa. D'ailleurs, même on a vu ce groupe qui a fait même son expansion parce que aujourd'hui, ce groupe est comprise entre le Niger, le Mali et le Burkina. Et d'ailleurs, même il se trouve même dans la Tapoa parce que c'est le même groupe, ces éléments de ce même groupe qui ont revendiqué les attaques au niveau de Porga et à la frontière avec euh, le, le Burkina et Bénin. Et donc, on sent qu'il y a une transposition vers toujours cette notion des trois frontières de ce conflit-là. Cette insécurité, on est en plein droit de le dire qu'elle est entretenue. Et si elle est entretenue, c'est que les gens qui disent qu'ils sont là pour mettre fin à cette insécurité, c'est ces gens-là qui ne font pas réellement leur travail. Ousmane coup, comment le retrait de ces forces euh, Barkhane et Takuba a-t-il été décidé et quelles seraient les conséquences de ce retrait euh, merci euh, Mokhtar. ça me rappelle aussitôt l'annonce faite des propos d'un confrère malien qui m'a appelé. et me dit Mais mon gars, euh, nous, on se débarrasse, euh, mais on a l'impression que vous êtes la poubelle. Donc, euh, <laughs> vraiment, ça résume tout. mes collègues l'ont dit, sans langue de bois, moi, je pense que il faudrait que les choses soient bien redéfinies. Aujourd'hui, et souvenance, ces mêmes troupes françaises là au Mali, avec Barkhane, il avaient été acclamé en héros. Mais à l'épreuve des faits. Autant du, Serval. Tu vois. Donc, moi, je me dis que euh, il faudrait que euh, la France euh, revienne sur terre, qu'elle accepte que le cordon ombilical là soit coupé même si elle refuse de l'admettre. Aujourd'hui, c'est ce négo surdimensionné oh, de ce président français qui l'a amené. Les Maliens disent que, bon, voilà, après tel nombre d'années, euh, l'insécurité euh, ne, fait que s'aggraver. Donc, il faut redéfinir maintenant les accords qui nous lient à, votre pays. Donc, l'un dans l'autre, moi, je pense que euh, ce redéploiement-là, dans notre pays, il ne faut pas rêver grand. Hein. parce qu'on a toujours dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'ailleurs, moi, je suis un peu surpris et souvenance des propos de notre président par rapport à l'installation, euh, à un moment donné, quant au développement ou bien l'accroissement de ce sentiment anti-français là dans les pays euh, africains, notamment le, le Niger. Euh, la il a bel et bien dit que le Niger n'a pas besoin de ces bases, mais nos forces ont besoin d'appui il, avait bien dit qu'il n'avait pas besoin ah, de soldat soldats euh, français sur nos sols. Bon, donc maintenant euh, que tout se soit joué, euh, que ce soit à au passage de, de Paris au Niger ou bien là-bas, mais je pense que c'est un gros coup, c'est un gros coup maintenant à, lui, à eux, aux gouvernants, d'en prendre toute la mesure de d'un tel acte parce que c'est même paradoxal. Au même moment où se développe ce sentiment quant à la présence de ces bases étrangères, et qu'on ait accepté, pour des raisons qui leur sont propres, que ces forces soient redéployées au Niger. Il y a vraiment matière à réfléchir. Hassan Bouka, vous voulez euh, ajouter quelque chose rapidement, parce que pour, moi, cette présence, elle va, va faire débat. Mais je pense aussi que euh, par cette attitude, la France met mal à l'aise ses régimes partenaires. C'est-à-dire, la France fait cette demande à des régimes qui ont du mal à lui dire non. Ce que le colonel malien disent de Bamako, là, vous aurez du mal à trouver son deuxième en Afrique francophone. Hein. C'est-à-dire que des gens qui disent non à la France. Et donc, la France fait cette demande à des régimes qui sont déjà fragilisés par l'insécurité. Et du coup, finalement, euh, lorsque la France fait cette demande, les régimes l'acceptent, ça arrive, ça fragilise davantage les régimes. Voilà. On connaît bien la position de l'opinion publique euh, nigérienne. Hein. On observe une courte pause. Passons au second sujet de ce forum de la presse. 18 morts, 8 blessés, dont 5 graves, évacués à l'hôpital du district de Walam. sur le bilan d'une attaque d'hommes armés et non identifiés contre les passagers d'un véhicule de transport dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 sur l'axe Tizogourou ou ou dans la région de Tilaberi selon une source municipale contactée par le studio Kalangou. Ousmane Sidikou, la zone dite des trois frontières en euh, Niger, Mali, Burkina Faso, dans laquelle est situé euh, le département de Banibangou, est devenue ces dernières années le théâtre euh, d'opérations des groupes armés qui mènent des attaques meurtrières de part et d'autre des frontières, prenant pour cible les forces armées et les populations Civil, Comment l'expliquer Unbelievable, comme disent les British. Ça dénote à l'instant, ça à travers ses propos, a dit voyez-vous, maintenant, euh, initialement, euh, pour cette zone dont euh, nous maîtrisons vraiment, c'est dire qu'à un moment donné, ces groupes-là ne s'en prenaient qu'au symbole de l'État. Vous l'avez si bien dit, au véhicule de, de, de l'État, les forces de défense et de sécurité. Maintenant, voyez-vous, ils ont réadapté leur stratégie d'attaque en s'en prenant au véhicule des projets ONG et jusqu'aux véhicules euh, de transport, notamment des marchandises, et tout comme les, les, les passagers, les populations, civiles. Donc, c'est vraiment c'est de trouver la parade pour que euh, ces groupes-là ne puissent vraiment. Euh, déjà, vous avez, vous savez, ils ont eu à adopter pendant la saison des pluies en, en, s'attaquant aux, cultivateurs. Et la preuve, vous avez vu ce que nous subissons comme crise alimentaire et nutritionnelle en ce moment. Bref, c'est dire que il faudrait que vraiment les dispositions soient prises et appliquer comme les dispositions sécuritaires. sécuritaires. Euh, par exemple, pour ce cas de, de, véhicule-là, selon des contacts locaux là-bas, ce véhicule, le propriétaire de ce véhicule-là, à un moment donné, ravitaillait ces mêmes groupes-là en carburant. Et il a séjourné à la, à la cellule antiterroriste là-bas. Là. Donc, quelle ne fut la surprise des gens que ce même véhicule soit livré et libéré une semaine plus tard pour reprendre ces mêmes activités, même si le conducteur... Vous voulez dire qu'il faut euh, constituer un convoi convoi, moi je pense, bon, que de, avant de constituer ce convoi-là, il faut sécuriser euh, les lieux. Parce que quelque part, les convois, ça met un véhicule de transport, par exemple, de machines. Est-ce a-t-il les moyens euh, Parce que ça, induit des frais. Maintenant, pour, vouloir, pour établir un convoi, ce serait à la charge de qui Pas quand même à celui qui cherche à, assurer sa pitance euh, quotidienne. D'abord, avant d'en arriver à même à instaurer ce convoi, il faut la sécurisation des lieux, des personnes et des biens. Parce que c'est inadmissible que maintenant, il s'adonne aux véhicules de, transport des marchandises et des, populations. Donc vraiment, euh, ça démontre, ça dénote à quel point la situation est assez préoccupante et elle continue à l'être. Et ce sont ces mêmes populations, les pauvres, qui en le lourd tribut. Issa euh, la, région de Tilaberi demeure instable malgré les efforts euh, pour tenter de la sécuriser. Ousmane aussi du coup l'a rappelé tout de suite. Qu'est-ce qui ne marche pas selon vous c'est la stratégie tout simple. Tout simplement. Il faut revoir la stratégie. Il faut revoir la stratégie. Il faut mettre aussi les communautés en contribution. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a l'impression que des, des, des zones d'ombre par rapport à la montée en puissance du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Yag Parce que, il faut le dire, au temps où El Sarawi opérait bien, bien dans la zone, moi j'ai séjourné dans la zone et j'ai discuté avec des communautés qui ont dit que autant temps de El Sarawi, El Sarawi, quand il vient même dans les puits, il dit que moi je n'ai rien contre vous. Moi, on est dans une dynamique de création, ce n'est pas le fait de faire l'apologie de ces gens-là, loin de cela. Mais c'est pareil pour dire que le GICM a un projet bien caché. C'est quoi La première des choses, c'était de faire peur aux gens pour que tout d'abord les gens quittent. Terroriser euh, les, euh, populations. Terroriser, créer la peur pour que les gens quittent leur habitation. Deuxièmement, ceux qui insistent, qui développent des stratégies de résilience pour continuer à vivre dans ce contexte d'hostilité, que ces gens-là puissent être karma tué. À travers euh, l'incendie des greniers, oui, des le vol de bétail. On a créé, c'est dit que l'a rappelé tout à l'heure, on a créé la piscine jusqu'à aller empêcher les gens de pratiquer leur activité. Parce que l'agriculture et, l'élevage, qui occupent cette zone. Aujourd'hui, avant, des animaux quittent jusqu'au Boboé pour aller perdre dans cette zone, puisque cette zone est réputée vraiment pour la qualité de l'eau et pour la qualité du pâturage qu'il y a là-bas. On a fait en sorte qu'il y ait un no man's land que entre la frontière du Niger et le Mali, que la majorité des villages puissent quitter. On, ne peut pas comprendre qu'il y ait vraiment cette recrudescence de massacres. Quand on compte du dernier trimestre de 2021 à aujourd'hui, on compte plus de 200 morts dans cette zone. Et on nous dit que non, c'est toujours des hommes armés non identifiés. Tout le monde le connaît. On voit leurs communiqués qui circulent pour dire que non, on a, on a, fait telle attaque, ce sont des moujahidines, un truc comme ça. Mais moi, je pense que le problème que vit le Sahel, il faut qu'on va au-delà du débat. Qu'on essaye d'analyser, de, de du, débat, de sécuritaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui il y a cette recrudescence de l'insécurité qui empêche on a l'impression qu'aujourd'hui, nos pays sont en train d'être guidés vers, et orientés vers une autre problématique que de pouvoir penser réellement à des questions de développement et de bonne gouvernance. Je fais un petit rappel, si vous me le permettez. si vous vous rappelez, en 2013, quand il y a eu le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO à Dakar, le président nigérien à l'époque, Mohamed Issoufou et Dramani, Mama Dramani de du Ghana ont eu la charge de conduire la task pour aboutir à la création de la monnaie unique. On a attendu pendant sept ans tout un travail des va-et-vient que vous voyez entre le président nigérien au Accra ou bien le vice-président euh, du Ghana au Niger ou bien le président ghanéen au Niger. Après sept ans de travail, on a attendu à une période propice. En 2020, pour mettre en échec ce projet. Aujourd'hui, toute cette problématique est liée à cette indépendance économique que nous cherchons. C'est quoi Qu'est-ce que la non, le, vient faire euh, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité L'insécurité, tout le monde est en train de le dire aujourd'hui. Pourquoi l'insécurité est entretenue et pourquoi on dit que c'est la France C'est parce que la France ne veut pas que nos pays s'intéressent à des questions de développement économique, sociale et de bonne gouvernance. Que nos pays soient focalisés sur des problématiques, la diversion, que nos pays soient focalisés sur des problématiques dont ils ont eu du mal à appréhender les causes, encore plus ou moins créer des dynamiques pour la résolution de ces problèmes. Et c'est ça l'insécurité que nous vivons. Si aujourd'hui ça persiste et que les gens accusent la France, c'est parce que les gens sont dans leurs droits. On parle plus de sentiments français au euh, Sahel. alors que anti-français, les gens ne sont pas contre un Français. Un citoyen français, personne ne contre un citoyen français, personne ne déteste. Mais c'est la... politique française, les rapports que la France a avec nos États que les gens dénoncent. Parce qu'aujourd'hui, toute la problématique s'est résolue. mais, avec, le redéploiement de, la force Barkhane et Takuba dans la région de Tilaberi aussi, est-ce qu'on peut espérer euh, le retour de la sérénité, de la sécurité dans cette euh, zone qui a tant souffert euh, de l'insécurité Mais écoutez, Mokhtar, il ne faut pas rêver. Hein ce qu'ils n'ont pas pu faire en 9 au Mali, ils ne vont pas le faire encore au Niger. Aujourd'hui, la problématique, c'est que cette région. Vous, êtes pessimiste là Non, moi je suis pessimiste parce que je suis d'accord. C'est pour cela que je, refuse même parfois de commenter cette actualité parce que moi j'étais d'accord avec le président de la République lors de sa première visite en France où devant Macron il a dit que nous n'avons pas besoin de, présence au sol de force. Ce voilà de ce nous avons besoin. Et à notre grande surprise, c'est même pas en présence de notre président. Celui que les Nigériens ont élu pour cinq ans pour présider aux destinées de notre pays, non, non, c'est en présence d'autres vallées de la France qui ont, qui ont tripatouillé les démocraties de leur pays, les qui viennent que... oui, non, la démocratie même en tant que telle, de leur pays, qui viennent faire l'annonce, c'est comme si on dit, on impose aux Nigériens. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, la légitimité de nos dirigeants ne l'attirent qu'auprès de leur peuple, pas auprès de la France. Hassan Boukara, euh, certains observateurs estiment que les autorités nigériennes euh, doivent adopter une approche plus politique incluant dialogue, réconciliation entre communautés. Est-ce une solution Je pense que euh, cette solution, les gens la proposent en face de l'échec de la solution militaire. Je pense que ce qu'on a essayé depuis dix ans, c'est la solution militaire. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la solution militaire a échoué. Donc il faut faire autre chose. Comme les Maliens ont pensé que bon, si ça ne va pas avec la France, il faut, il faut changer. Il faut, il faut forcément faire autre chose. Et c'est pour ça que c'est dommage. Aujourd'hui, tous les débats autour de Barkhane, c'est toujours la continuation de la solution militaire. Je pense qu'une des choses qui a été dite, c'est par exemple euh, d'essayer d'améliorer l'accès aux services publics dans ces zones, que les gens aillent à l'école, euh, n'est-ce pas qu'il y ait un minimum de présence de l'État dans ces zones, un minimum de présence de l'administration, de développer la citoyenneté, que les gens se sentent appartenir à un pays, etc. etc. Il y a tout un travail, c'est vrai, qui ne peut pas se faire à court terme. C'est un travail de moyen et de long terme, il faut le faire. Je comprends dans une certaine mesure que euh, lorsque la guerre frappe à la porte, il faut parler au plus urgent. Donc euh, ça devient un peu compliqué. Mais à mon avis, aujourd'hui, 10 ans de guerre contre ce groupe armés montrent d'abord qu'on a vraiment, du point de vue militaire, du mal à trouver la solution. Hassan est-ce que c'est facile euh, de dialoguer avec euh, ces, groupes armés Si, si c'est ça le prix pour la paix, il faut dialoguer. À mon avis, la paix, si c'est à ce prix qu'on a la paix, il faut dialoguer. C'est des ressortissants de ces pays c'est de discuter. voilà, voilà. Si on pense qu'en dialoguant, on met fin. Regardez cette zone de, de, de, de de Tout de suite, il s'est rappelé. La mort au quotidien, 100 personnes, 200 personnes qui meurent euh, par an. Vous ne pouvez plus mener des activités, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne dormez pas tranquille. Le, territoire, vous le perdez. Vous avez combien d'éleveurs qui ont bradé les troupeaux parce que tu ne peux plus garder les troupeaux. Les gens payent. Mais c'est vraiment difficile. C'est presque l'enfer sur Terre déjà pour les gens. Et donc, s'il faut discuter avec ces gens, je pense qu'on l'a déjà fait. On a eu des rébellions avec lesquelles on a discuté, non euh, Dans certains cas, ça a permis au moins. Voilà, il y a eu des repentis. Voilà, il y a eu des repentis. Donc, à mon avis, la paix n'a pas de prix s'il faut discuter avec eux. Et je rappelle que ça a aussi une histoire, hein, ce débat. Ce sont les Français qui ne voulaient pas de ce débat. Oui, ça, ça, avait commencé au Mali. Les autorités maliennes étaient dans une prédisposition euh, de dialoguer, mais. C'est ce que je disais, euh, c'est l'ego du, président à ne pas vouloir revenir venir et discuter d'égal égal avec les autres. toutes les, guerres, toutes les guerres finissent sur une table de négociation. Il faut même les grandes guerres, première guerre, deuxième guerre, etc. Il y a toujours un moment où. Donc, à mon avis, s'il faut discuter avec ce groupe pour mettre fin à la guerre, c'est une guerre fratricide, hein. c'est entre les sortissants d'un même pays, d'une même communauté. Il faut discuter et puis mettre fin à la guerre. Je pense qu'on a payé un lourd tribut que ce soit les forces armées, les populations civiles, d'un point de vue économique, sur la cohésion sociale, ça a quand même coûté cher euh, dans cet espace sahélien en disant, S'il faut simplement discuter avec ces groupes pour mettre fin à ça, oui, à mon avis, il faut le faire. Ousmane, si du coup vous êtes euh, du, même avis Tout à fait, c'est ce que euh, nous disons. Donc il aurait fallu que les, les, Français ou bien le président français fasse abstraction de son ego surdimensionné. Parce que c'est de bonne guerre quand les autorités maliennes ont constaté qu'après tant d'années, l'insécurité ne fait que s'accroître. Il y a recrudescence de cette sécurité Maintenant, c'est de revoir les accords qui les liaient. Ben, peut-être qu'ils n'ont jamais pensé, même dans leurs rêves les plus fous, à ce que les colonels maliens puissent prendre cette décision-là. Et surtout, le fait de leur intimer l'ordre de quitter sans délai. Je pense que euh, leur ego en a pris un sérieux coup et vivement que l'exemple malien secondes. Pour, pour, ajouter quelque chose, quand vous disiez est-ce qu'il faut, il faut entamer des pourparlers, évidemment on peut le faire. Même dans le Sahel aujourd'hui, on le sent que même les groupes armés aujourd'hui, il y a certains leaders qui sont dans leur pays qui n'arrivent pas à comprendre l'agissement de leurs leaders qui sont restés de l'autre côté. On a vu aujourd'hui le cas des repentis à Difa. On a vu aujourd'hui cette dynamique au Nigeria. C'est en train de marcher. Ce sont des humains. Donc, on peut négocier bel et bien avec eux. Boukar. Alors, une, des raisons, par exemple, pour laquelle un pays au Sahel n'est pas touché, en l'occurrence la Mauritanie, les gens pensent que c'est parce que ce pays a parlé avec ces groupes. C'est en tout cas, à tort raison, la raison qui est donnée officiellement. On observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif au point de presse samedi de l'avocat de Mahaman Ousmane, candidat à l'élection présidentielle de 2021 au Niger, dont il conteste toujours les résultats. Le candidat déclaré vaincu au deuxième tour de la, de la dernière euh, élection présidentielle organisée en février 2021, Mahaman Ousmane s'est réjoui de l'évolution de son procès euh, contre euh, l'État euh, devant la Cour de justice de la CDAO dans lequel il réclame la victoire contre le chef de l'État actuel Bazoum Mohamed. Reconnaissant, reconnaissant que c'est une situation qui paraît insolite que les élections soient contestées par des voies de droit, Mohamed Ousmane a fait prévaloir que ce choix se justifie par son attachement personnel à la paix et à la sécurité et à des valeurs de droits humains. Issa que faut-il comprendre au sujet de cette procédure judiciaire du candidat à la dernière présidentielle, Mohamed Ousmane, devant la Cour communautaire de la CDAO Oui, Mokhtar, comme il l'a dit dans son point de presse, qu'il est épris de paix et de justice et imbu des valeurs démocratiques. C'est pour cela qu'il a entamé cette procédure. Oui, bon, moi, je suis d'accord un peu sur ce que ces propos. Euh, oui, si c'était d'autres, euh, ils allaient appeler à la violence, à des manifestations de rue, mais quand même, on salue un peu, c'est vraiment cette attitude de prôner la paix. Mais, moi, selon vous, c'est une démarche euh, porteuse Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque pour moi, aujourd'hui, cette Cour de CDAO, ah, même si elle rend des décisions, elle ne peut pas obliger un pays à, travailler avec ses décisions. Aujourd'hui, on a vu plusieurs cas, dans plusieurs affaires où la CDAO dit, on a le euh, plusieurs cas qu'on a vu, même au Niger, où aujourd'hui les gens attendent à ce que le, gouvernement prenne en compte ses décisions. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu très objectif par rapport à ce qu'on fait. Il faut aller au-delà de ces contestations. Euh, le président va fêter bientôt c'est un an de prestation de serment. Moi, je pense qu'il faudrait qu'eux, ils reviennent pour jouer valablement leur rôle d'opposant, à proposer aujourd'hui eh, des propositions, à faire en sorte qu'il y ait ce dialogue politique. C'est la première des choses parce que aujourd'hui, le fait qu'on a fermé ce robinet, que ces gens puissent discuter. robinet Le CNDP, vous voulez dire Oui, c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait le dialogue. Le dialogue est tout nécessaire dans un pays. Aujourd'hui, notre pays fait face à beaucoup de défis. C'est leur droit de contester et aller devant les juridictions, mais moi je pense qu'il il leur incombe de jouer valablement leur rôle d'opposant, à venir faire la lutte et en jouer vraiment à ce qu'il y ait cette démocratie, qu'il y ait ce dynamisme de la démocratie nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, le Niger a besoin de tous, que vous soyez opposants, acteurs de la société civile, que vous soyez au pouvoir. Mais il revient également aujourd'hui aussi au pouvoir de créer les conditions. Parce qu'il ne suffit pas, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans le discours que dans les actions. Que il crée les conditions pour qu'aujourd'hui tous les acteurs de la scène politique se retrouvent, qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il y ait le respect de ces libertés, que tout le monde se retrouve sur une table et de discuter sur des sujets majeurs qui concernent la vie de la nation. Eh, Ousmane Sidikou, qu'il faut-il comprendre quand Mohamed Ousmane disait qu'il se réjouit de l'évolution euh, de sa plainte euh, devant la Cour de justice de CDAO Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Bon, mais euh, n'ayant pas cette boule de cristal, lui seul peut-être pourrait vous en expliquer concrètement les dessins euh, qu'il nourrit à travers même la démarche euh, entreprise. Hein. Ça me rappelle une des paritions d'une des manchettes à l'époque de, de, cette, de ces élections. Maman Ousmane, pire avocat de Maman Ousmane. Parce que tantôt il dit une chose, tantôt il va dire l'autre. Bon, l'un de l'autre, c'est dire que, honnêtement par là, moi je pense que la galerie a été assez amusée. D'ailleurs, j'ai même une question. et souvenance que l'actuel président de la République, il a signé un décret accordant un certain nombre de privilèges et avantages aux anciens chefs euh, d'État. Donc, euh, si réellement il a accepté, puisque c'est un ancien chef de l'État, moi je pense que il doit consolider et il doit avancer. Donc, l'un de l'autre, moi je pense que euh, <laughs> même il doit consolider et avancer. Si tant est qu'il a, il a, il a, il continue à bénéficier des, des, des, retombées du de, récent décret signé par l'actuel président aux anciens chefs d'État et présidents. C'est dire que le fait même de faire recours à, l'instance juridique de, la CDAO, la CDAO, elle est où avant même que les élections ne soient organisées, à travers même la gouvernance des chefs d'État qui. Est-ce que la CDAO a une fois pipé mot ou bien a interpellé eh, les, différents chefs d'État qui, à travers leur euh, gouvernance, n'étaient pas du tout ça L'un de l'autre, c'est dire que franchement, le Niger n'a pas besoin de ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus urgent. Donc, selon vous, il n'y a, pas de miracle à espérer il ne faut, pas, il faut pas se voiler la face quand même, Mokhtar. Moi, je pense que le cadre, euh, pensons que, euh, gageons que le cadre soit créé, euh, la reprise des, échanges, notamment au sein du CNDP, du CNDS, pour que vraiment chacun puisse jouer sa partition, créer les voies et moyens pour sortir le Niger des sentiers battus, car nombreux sont les défis, notamment les défis sécuritaires. Hassan Boukara, au regard des dispositions des textes communautaires qui interdisent et qui condamnent les coups d'État, nous sommes sur la bonne voie pour un règlement pacifique de ce conflit, a indiqué l'avocat de Mohamed Ousmane, maître Lerwana Abdraman, au cours de ce point de presse. Que faut-il comprendre à travers euh, cette déclaration de la défense euh, de Mohamed Ousmane Pour moi, cette euh, démarche de Ousmane a un avantage. Rappelez-vous que sur le continent, de façon générale, les, les litiges, les contentieux électoraux se règlent dans la rue. C'est-à-dire, on a vu des opposants s'autoproclamer. Je crois que c'est au Togo où un opposant dit c'est au Gabon, qui Au Gabon. Au, Gabon. On a vu comment Kanto a contesté les élections au Cameroun. On, a vu comment euh, les opposants en Guinée, au Sénégal, rappelez-vous, des mhm. dernières élections auxquelles d'avance. En fait, pour les oppositions africaines aujourd'hui, la voie judiciaire est une voie perdue d'avance. C'est-à-dire, ça relève de nos conceptions selon laquelle la justice fait partie du système et que les verdicts des juges vont toujours dans le sens des dirigeants. Alors, voilà quelqu'un, lui, comme il l'a dit, qui choisit une voie singulière. Il met à l'épreuve la seconde voie. C'est-à-dire qu'il consiste à dire, mais tout le monde dit que la voie judiciaire ne porte pas, que c'est une perte de temps. Lui, il met à l'épreuve la voie judiciaire, il va aller jusqu'au jusqu'au bout. Il est vrai que le verdict dépend de la solidité de son dossier, de la façon dont il a pu avoir les preuves, puisque beaucoup de gens se sont posés des questions aussi sur les dernières élections. Il n'y a pas que les opposants. Mais certaines choses, vous ne pouvez pas les matérialiser devant un juge et avoir un verdict. Alors, il a déjà épuisé la, procédure au niveau national. Il a peut-être dû affiner ses arguments. Je ne sais pas très bien sur quoi il repose pour dire qu'il était content de, ce qui se passe à la CDAO. Mais pour moi, ça va clarifier aujourd'hui le, fait que la deuxième voie, on peut peut-être aussi la suivre, peut-être que ça peut donner des résultats. Je ne fais pas aussi beaucoup d'illusions, <laughs> mais je me dis, lui au moins, cette démarche aidera à dire aux opposants, est-ce que c'est aussi porteur d'essayer la voie judiciaire Au moins, si à la fin, peut-être que ça va confirmer, les gens vont dire, mais on a toujours dit que la voie judiciaire ne porte pas. Peut-être que c'est ça la conclusion. Mais lui, au moins, il ira jusqu'au bout et cette procédure permet de clarifier un débat, à mon avis. Ousmane coup comment davantage promouvoir le respect des textes et les lois de la République À travers une bonne gouvernance, Mokhtar. Il n'y a pas 36 solutions, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, si euh, ces mêmes textes et lois de la République sont appliqués sans pour autant qu'il y ait l'émission du politique, euh, moi je pense que euh, vraiment il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait que nous revenions sur vraiment la pratique de la bonne gouvernance. C'est là où j'interpelle nos gouvernants vraiment à se sentir beaucoup plus redevables envers leur population qu'aux puissances colonisatrices. Parce que, in fine, le, même s'ils pensent avoir le cutus du colon ou bien de la puissance colonisatrice, c'est-à-dire euh, la voix, la voix du peuple est toujours euh, la voix la meilleure et, et d'aucuns pensent même la plus forte. Donc vraiment, c'est de mener cette gouvernance-là euh, dans les règles de l'art quand vous avez, vous avez vu le cas malien assez illustratif, vous voyez la marée humaine, c'est parce que les tenants actuels de la transition, ils ont le soutien indéfectible de leur peuple. Alors quand vous avez le peuple derrière vous, rien ne doit vous effrayer. Hassan Boukara, euh, juste un mot, 30 secondes. je pense que euh, les textes, il faut les respecter à travers. Mais, le, problème que ça pose, en particulier sur les élections, regardez au Mali la justice a validé tout le processus hein, avant que le coup d'État n'intervienne. Et donc, on a aujourd'hui une institution judiciaire qui joue sa crédibilité, qui joue son avenir aussi, dans, que ce soit à travers le processus électoral ou d'autres, où finalement, il faut que la justice travaille aussi à convaincre les citoyens. C'est-à-dire que le fait de dire c'est une décision de justice, elle s'impose à tout le monde, on voit que ça ne vide pas le débat il faut que la justice travaille aussi pour son image et pour sa crédibilité. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Issa Madougou, journaliste indépendant, Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également, et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios et 7 télévisions partenaires poursuivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma à la même heure. Merci aussi à la technique Régisson assurée par mustafa Ayouba et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.